la communauté parentale de remercier chaleureusement la Fondation Sénateur. Vous, avez, avez, sorti d'une mauvaise passe. Nous étions tous inquiets. Notre morale était au bout. Nous ne savions même pas si on allait s'en sortir. Mais heureusement, vous avez entendu notre cri de détresse. Encore une fois, mille merci. Avant tout pour vous, permettez-moi de dire un grand merci à vous tous qui avez accepté de faire le déplacement au sein de ce prestigieux établissement qu'est le lycée Mamcher pour l'inauguration de ces bâtiments entièrement rénovés par la Fondation Sonatel, et ce, malgré votre agenda très chargé. Par ce geste, vous avez manifesté votre attachement à la cause de l'éducation, votre attachement à l'esprit d'innovation ou de modernisation de l'école sénégalaise, et votre attachement à la cause de la jeunesse dont les attentes sont en partie traduites ici dans les faits à travers cette inauguration. Au nom de tous les élèves de ce lycée, je vous fais part de mes sincères remerciements. La réalisation de ce joyau ne saurait s'accomplir sans la diligence du ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Tala, qui, à travers les autorités administratives et académiques, a encouragé et soutenu la très généreuse fondation dans son projet de réhabilitation et d'équipement du lycée à travers l'action ô combien importante de la Fondation, le plus grand et le plus ancien lycée du Sénégal oriental pourrait de nouveau reprendre les hauts sommets de l'excellence. Vous avez transformé ce lycée. Vous avez tranquillisé les esprits. Vous avez donné à nous tous le confort dans notre cadre de travail. Et nuit d'été, cette pandémie, tout le lycée allait être là, pour vous réserver un accueil chaleureux et mérité. Mention spéciale à Monsieur le Gouverneur et à l'inspecteur d'académie par leur diligence. Monsieur le Gouverneur, je me rappelle de votre déclaration. Merci de vouloir être au devant de la scène, avec tous les risques que cela comporte. Nous, nous travaillerons pour l'entretien de ce bijou et de tout le matériel qui a été mise à l'intérieur. Nous travaillerons pour faire revenir l'excellence dans ce lycée. Nous travaillerons pour mieux améliorer notre environnement par le reboisement et l'aménagement de l'espace. Je aussi remercier aussi le directeur général de la Sonatel, de remercier aussi encore la présidente de la fondation qui a appelé la région.

depuis son élection en 2012 ak légui lim fi liggéey wa Tamba yëpp gis nañ ko kon boog ñu koy sant bu baax baax baax vraiment diko ko monsieur le gouverneur ñu ngi lay sant bu baax a baax baax ci sa taxaway ci lycée bi Tamba yëpp gis nañ ko taxaway bu rafet nga fi def bu ngeen gisee aussi encore li lépp am ci sa loxo la jaar di remercier aussi encore le président du conseil départemental ci taxawaay aussi encore ci lycée bi vraiment monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm